school? No, hey, hey. Je suis ngi euh, attaché du cabinet maire monsieur Baragay, euh la commune Yombol Sud en même temps je me suis chargé la commission environnement de la commune défilé bi nuñ ko dundé def nañ ko des def ko ren di ñaan yalla féké ko déwén aussi préparation c'était un peu dur on a metti touti parce que ça fait presque à peine un mois qu'on ngi entraîné di euh, au camp transmission de Yambol. Il nous formé avec le Sen et le sergent Si moo euh, et nous avons ko c'est vraiment expérience pour am parce que Khalayi, nous dina permettre aussi ñu découvrir quelque chose de nouveau en plus aussi nous am une euh, familiarité suñu biir c'est les frais aussi il y a beaucoup de frais qui ont la commune bi en charge parce que tenue, aller-retour, ah, transport, c'est lek, c'est nan, encadrement aussi, nous avons 60 personnes encadrées pendant un mois. Et nous and des nous qui ont été goudi, duñu nelaw été pour rien que pour les gens content. Et en tout cas, vraiment, expérience, yi expérience, yi vraiment. Nous eh, ñaan aussi déwén ñu fekke ko ànd siwaat avec l'armée armée Sénégal comme niñ ko defee daaw defee ko ren di remercier toute euh, l'armée di remercier Sénégal gi nous aussi di ñaanal ñëpp jàmm ñëpp fekkewaat ko déwén voilà en tout cas neex na rafet na ñun ñëpp ànd nañ si si jàmm ànd si salaam donc ñu ngi espérer encore Yeumbeul Sud participer à année prochaine Et Inch'Allah, l'année prochaine le maire jël un engagement total pour année prochaine moom mooy jëlal boppam en charge ñawal boppam tenu yi charge yu si xale yi yëpp daal ba lépp jaar yoon démb rek lañ siy waxtaan mu ne ma année prochaine moom mooy jëlal boppam charge jëlal leen seen i mesure wut en tailleur professionnel pour ñu mën a gën a préparer xale yi vraiment moom kontaan na si trop ànd na si tamit si liggéey bi ak ñun seetaan nañu benn yoon vraiment actuellement mi ngi suivre défilé bi. à la maison avec sa famille di ñaanal fait faire ñu de Djam. Vamos lá.